Azmilahi Mn Shaitan Ibrahim, Bismillahi Assalamu Alaikum, Wa wabarakatuh Wabarakatur. Car soyez les bienvenus sur ce programme encore aujourd'hui. Et Inch'Allah, aujourd'hui nous sommes euh, au 22e épisode. Et, la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est toujours sur euh, la loi islamique, sur les justifications, les règlements et la conduite de la guerre à l'islam. On continue toujours sur euh, la question du djihad, euh, l'application, le mauvais usage et l'abus de, de, la notion du djihad. Moi, c'est toujours Teslim Adieman et j'ai avec moi aujourd'hui sur le plateau, euh, au stade euh, Abrahman Moukaila et aussi euh, l'Oustaz euh, Mohsen Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa Oustaz Abrahman, Abraham, je commence avec vous aujourd'hui. examinons la question du sort et du traitement des prisonniers des guerres. Mhm. Quelles sont les justifications ou, ou même l'importance euh, de la justification et les raisons de la guerre dans la loi islamique. Je remercie Allah subhanahu qui nous a permis d'être ici sur ce plateau pour apporter notre petite contribution à cette euh, série euh, d'événements, à cette série d'épisodes qui parlent de l'islam. Alhamdulillah. Maintenant, pour revenir à, votre question qui a trait au traitement des prisonniers, je me rappelle une fois encore, je vais faire un petit backup, euh, petit historique, euh, tout simple dans, dans un épisode passé où on a parlé du traitement des cadavres, que ce soit des cadavres musulmans ou des non-musulmans. Si même un cadavre qui, n'est pas musulman ou musulman est traité bien, euh, il a recommandé de le traiter bien, qu'en est-il maintenant des prisonniers ça veut dire que ceux qui sont vivants aussi, ils ont droit à un traitement. Si un cadavre a droit à un, traitement, ça veut dire qu'un prisonnier aussi a droit à un traitement. Là, pour revenir au vif du sujet, je dirais que selon ce qu'on a appris, on dit que toutes les politiques qui sont relatives au traitement des prisonniers de guerre sont fondées sur les dispositions du Coran et élaborées dans la pratique du prophète Mohammed telles qu'elle est consignée dans les hadiths authentiques et dans la biographie qui est la sira du prophète Mohammed et et de ses compagnes. Cependant, la plupart de ces règles-là concernant les prisonniers de guerre sont basées sur le traitement des prisonniers de la bataille de Badr, donc ça tire leur source au niveau de la bataille de Badr, donc euh, et dans la deuxième année après le Higher Nabi qui concerne la migration vers, vers Médine. Donc une leçon majeure que euh, nous apprenons du traitement bienveillant des prisonniers non musulmans par le prophète Mohammed et ses compagnons et que si les prisonniers ennemis étaient complètement sous autorité musulmane, militairement soumis, ils n'ont jamais été forcés de changer de religion. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils sont prisonniers, ils sont dans les mains des musulmans qu'on va les forcer à changer de religion. Parce qu'on dit qu'en islam, ce qu'on veut, c'est l'ouverture du cœur d'abord, pas la soumission juste du corps et que le, euh, le cœur ne suit pas. Donc c'est pourquoi s'ils sont soumis, s'ils ne sont pas violents, ont euh, leur, ça dépend d'eux. S'ils le veulent, ils peuvent emprunter l'islam s'ils trouvent l'intérêt. Au cas contraire, ils peuvent continuer avec euh, ça, même, c'est un traitement. Parce qu'on ne les oblige pas à euh, changer de religion s'ils ne sont pas favorables à cela. Ils n'ont pas été persécutés de quelque façon que ce soit pour s'être accrochés à leur foi respective que ce soit parmi les juifs et les chrétiens ou parmi les politistes et ce qu'on appelle aussi les, les, les la plupart de ces prisonniers libérés étaient encore des non-musulmans lorsqu'on leur a accordé leur liberté. Même étant non-musulman, un prisonnier, il a un peu, il a une situation dépendre de l'ami, l'ami peut décider de lui donner sa liberté. Parce qu'une fois qu'il y a des prisonniers, ça devient à la charge du premier guide, par exemple l'ami, que ce soit un président, en tout cas le chef suprême, lui peut décider de le libérer ou de ne pas le libérer. Donc c'est lui qui qui qui décide de son sort. Cela prouve clairement que la raison et la justification de la lutte contre le non-musulman n'était pas simplement parce qu'ils étaient non-musulmans, ni un moyen de les forcer à se convertir à, l'islam. Autrement, la conversion à l'islam aurait été une condition nécessaire pour assurer leur liberté. On aurait dit, on pouvait, on pouvait le faire, si vous voulez votre liberté, convertissez vous à l'islam. Ils pouvaient peut-être juste par tromperie dire Ouais, oh, nous sommes musulmans pour être privés. Mais même la proportion ne pas fait ça. Ils étaient libres de garder leur religion et pourtant on pouvait les libérer comme on pouvait aussi demander des rançons. Tout ça, l'islam peut demander ça. Donc en réalité, c'est que nous pouvons dire sur cette question. Euh, merci beaucoup, Ostaz. Euh, Ostaz, euh, que pouvons-nous apprendre euh, de la loi islamique sur euh, la façon dont les prisonniers de guerre devraient être traités et comment cela est lié à la justification de la guerre dans l'islam concernant la manière dont les prisonniers doivent être traités, tout ceci nous revient à ou bien nous revient plutôt à se conformer au Coran et à l'adresse du prophète Mohamed euh, Allah wa euh, a des options. Il a donné des options à tous les commandants, c'est-à-dire ceux qui détiennent le commandement du pays, euh, les choix qu'il faut opérer lorsqu'ils ont des captifs. Lorsqu'on va qu'on ta'ala dans ce plan en fait ما Allah dit ceci, un prophète ne devait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu et sur la terre. C'est-à-dire quoi euh, prophète Mohammed ne devait pas commencer par, l'autre bataille, commencez pas visionner les prisonniers. C'est plutôt après la victoire qu'il faut dire quels sont les prisonniers. C'est pour les dire. Votre objectif, ce n'est pas de viser les prisonniers, mais votre objectif, c'est d'avoir le dessus sur les ennemis. Maintenant, enfin, maintenant, s'il a des, des des prisonniers, c'est en ce moment faire partie du lutteur. Et Allah dit, vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Allah veut de l'air Allah est puissant il sage. C'est pour attirer l'attention des compagnons, pour dire si vous allez sur le terrain, ce n'est pas le butin qui est le premier objectif. C'est surtout la victoire. Et si vous voulez ce bas monde, vous l'aurez. Mhm. Mais sachez que ce qui Allah vous a préparé dans de delà c'est meilleur. Donc c'est pour signaler que l'objectif n'est pas d'aller visualiser, visualiser plutôt les prisonniers sur, ce euh, qu'on appelle le champ de bataille. Et dans plus tard, et sur que je vais vous citer, c'est pour dire que l'objectif, ce n'est pas d'acheter le prisonnier. Ce n'est pas ça même l'objectif. L'objectif, c'est de maîtriser la situation. Nous avons aussi un autre verset, il donne les différentes options. Les différentes options qu'on a données, et aussi suivant aussi la pratique du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Allah dit ceci, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ riqab hatta الرِّقَبْ حَتَّى إِذَا al فَشُدُّوا الْوَثَاقَ imma مَنًّا بعد وإما في حتى تدع الحرب أنظارها ذلك ولو يشاء الله لن تصروا ولكن لبلوى بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Allah dit ceci dans Sourate Muhammad, euh, Sourate 47, verset 4, Allah dit Lorsque vous rencontrez, et lors d'une bataille, vos ennemis, frappez-en les coups. Donc, c'est dit c'est un figure de style pour dire lutter contre eux. C'est pas l'envie de viser leur groupes. c'est fait partie des figures de style de l'arabe pour dire euh, combattez avec votre dernière avec eux. Plus que vous les avez dominés, enchaînez les solidement. Vous dit, vous avez, la, c'est-à-dire, après la victoire, vous, avez la maîtrise de, la situation. Vous les enchaînez solidement, autrement dit, vous avez les, les Ensuite, c'est soit la libération gratuite, maintenant le prisonnier. Là, on ne sait pas donner les options. Suivant les réalités, euh, vous voyez, on dit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Euh, autrement dit, c'est aussi une de situation qu'on a la stabilité. Il a ainsi qu'à si Allah voulait, il se vengeait lui-même contre eux. Vous voyez, si Allah avait voulu, il allait venger lui-même contre ces gens-là. Mais s'il a voulu que ça se passe entre nous, il a beaucoup de sagesse. Euh, de, ça. Allah veut faire de ces gens des, comment dit-on, des martyrs. Et aussi une, une leçon aussi également pour d'autres personnes qui vont se comporter comme eux dans l'avenir. Mais c'est pour vous prouver les uns par les autres. Euh, toujours vous dit, euh, ceux-là qu'on a, qu a captés, c'est une preuve. Ceux-là aussi qui doivent lutter, c'est une preuve. pour ne pas citer rien que ce verset, Allah a donné les options. Maintenant, revenons au cas du prophète Mohammed. Le prophète, il a des fois, il libère, qu'on appelle les prisonniers. Il a des fois, euh, on les demande de payer des rançons. Il a des fois également, on les demande de rendre des services. Il a des fois également, euh, ils sont des prisonniers, mais on les demande d'aller dans les familles de ceux-là qui sont tombés dans la guerre, d'aller les aider dans dans les travaux euh, pour les femmes et autres. Si ces gens-ci ont essayé des biens, et là, des fois aussi, on les demande de les exécuter. Mais dans quel cas on faut les exécuter Là, ils sont, des gens totalement très nuls. Ils ont commis des crimes très atroces. dans ce cas-là, il faut euh, les, les, exécuter. Revenons un peu à la question comment se comporter avec les prisonniers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais dire d'abord, Allah wa il a donné l'ordre. Si vous voulez les attraper, il faut les donner à manger. Allah est les croyants, véritablement les vrais croyants, fait, les vrais croyants, ils offrent la nourriture. Malgré que ils n'ont pas assez, mais ils en ont, ils aiment la nourriture, donnent ça à qui Aux pauvres, aux orphelins, aux également prisonniers. Donc on nous demande, on nous recommande vivement de donner à manger aux prisonniers. Nous avons des cas pas autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons euh, un compagnon qui s'appelle euh, Abu Aziz ibn euh, Umayy. C'est un compagnon qui a été capté lors de la bataille, de Badr et l'ont ramené à la, à, la Mecque. Et ils l'ont ramené à Médine. Euh, de sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donné des recommandations à ses compagnons. S'il a le pain et les dates, les compagnons lui donnaient du pain. tout le monde sait que chez les Arabes, ils ne s'arrangent pas avec le pain. C'est-à-dire qu'on lui donne le meilleur de manger. Lui-même l'a dit, on me donne, on me donne, jusqu'au point que j'ai honte de manger. Si je les redonnais, il dit, on, me redonne ça immédiatement de manger, que c'est pour toi. Alors qu'eux, ils mangeaient de la date. Regardez combien de les, les prisonniers, ils les donnent. Ils ont appliqué le verset là. Ce qu'ils aimaient le plus, c'est ce qu'ils donnaient aux prisonniers. Ils mangeaient de la date. Tout ceci, c'est pour Vous savez, le verset est très, très intéressant parce que le verset qui suit ce verset-là, il a ah, dit euh, Parce qu'Allah a ordonné et le font, ils le font seulement à cause d'Allah. Il ne veut pas de remerciement. Merci beaucoup pour ce verset-là. C'est toujours pour confirmer la sincérité vis-à-vis -vis de ce table-là qu'ils accomplissent en faveur de ces prisonniers. Le prophète Mohammed également, lors de la bataille de, de Badr, ils avaient capté des gens comme euh, Abdullah ibn Ubayn et aussi l'oncle du prophète Mohammed al-Abbas. Euh, euh, euh, ils étaient déshabillés. Ils n'avaient même pas des habits sur eux. Le prophète est parti là chercher des habits. Mais ce qui est étonnant, il devait remettre l'habit à qui À son nom. Mais là, dans le sens de Abdullah ibn Ubayn. Il a donné son avis, son propre avis, là, il, il est, parti chercher un autre avis pour donner ça à son oncle. Donc même les prisonniers, s'ils sont dans des états délabrés, le prophète Mohamed Sossam prend le soin aussi, il prend qu'on appelle son engagement, le plein engagement de, les mettre dans les bonnes conditions. Tout ceci montre que le gouvernement Mohamed il, est, il prenait bien soin des prisonniers. Il n'avait même pas une prison dans le gouvernement Mohamed Sossam il n'a aucun test qui souligne que nous avons une seule prison autant temps le prophète Comment garder les prisonniers Soit dans les mosquées, soit on les confie à ces gens-là de les ramener à la maison. Vous imaginez ramener un prisonnier à la maison pour dormir avec. Vous imaginez ce que c'est Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui On aura peur pour dire Aujourd'hui, lorsqu'on dit, lorsque l'État lance et des on dit que sont des personnes très dangereuses pour la société. Si vous le voyez, il faut le fuir. Il faut signaler ça à la police. Mais cette fois-ci, on les même. Des gens qui veulent, tu voulais garder à la maison, vous manger. Juste au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit observez des bons traitements avec les prisonniers. Il a dit observez les bons traitements avec euh, les prisonniers. Donc tout ceci, ça montre, on ne peut pas citer, il y en a beaucoup de cas. Ça montre évidemment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est traité de la meilleure des façons les prisonniers. Et la majorité des cas, ces prisonniers sont libérés. Ils sont tous libérés. Je vais donner un seul cas pour voir, pour finir avec. Et j'aime ce cas-là. Je prends le cas de, Zé, Le cas de Zayn. c'est il fait partie des esclaves. Zayn fait partie des esclaves. Et euh, ses parents sont supposés, ils ont supposé terres chez le prophète Ils sont venus voir le prophète pour dire prophète, je vais payer, nous allons payer toutes les rançons pour prendre notre fils. Mais plus n'y dit pas de problème. Ils ont appelé Zé, il a dit que non, je préfère rester chez le prophète. Je ne veux pas rentrer sans ça. Je préfère rester chez lui. Mais si on m'a dit tu es malade, qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui je préfère rester chez le prophète Mohammed sallallahu parce que véritablement c'était en paix. C'était véritablement la qualité. Et il a aussi enseigné cette qualité à tous les compagnons. C'est le cas aussi de Abu Bakr, le cas aussi de Omar ibn Khattab. Il, a, il, recommande de bien traiter les prisonniers, les prisonniers, de bien les traiter. Donc voici quelques exemples qui illustrent moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prenait soin des prisonniers. Inch'Allah. Ah, merci beaucoup, Ostaz, pour euh, euh, euh, cette intervention. Ah, euh, Ostaz Abraham, mm. qui en droit islamique, dans, mm. le droit islamique, qui détermine le sort des prisonniers de guerre et quelles sont les implications de cela. Yeah. Donc, pour revenir à la question, traditionnellement, on dit que les prisonniers des guerres, que ce soit des hommes, des femmes, l'air bien, tous ce quils ont, normalement, c'est ce qu'on considère comme butin de guerre, qui s'appelle anima ou Amphale selon l'appellation. Donc, c'est des synonymes. Donc, quand, ça veut dire qu'ils font partie, c'est comme si c'était le trésor, c'est le trésor public. Ça appartient au trésor public. Maintenant, l'idée n'est pas d'avoir ces partager quand on, on, capture et on, on, met la les prisonniers. Ce n'est pas le butin qu'on vise en réalité. Mais du moment où ils ont devenu la propriété de l'islam, leur bien va renforcer l'islam. C'est ça l'idée qui est derrière. Maintenant, il incombe finalement au chef de l'État de décider de la façon dont on va les traiter, soit les libérer, comme le l'a dit. On peut, et la plupart du temps, euh, le choix est porté sur la libération. Et aussi, dans les chapitres précédents, on a parlé qu'on ne conditionne pas la libération par euh, le monnaie, ça va être la conversion, non C'est ce qui t'a aidé se convertir ou pas. Ou bien des pays des rançons. Donc ces questions doivent être gérées en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt. Le meilleur intérêt, c'est ça qu'on appelle la maslaha de l'islam et des musulmans. Maintenant, Allah dit dans le Coran, il vous demande, au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des, des primes qu'on appelle le bitins de guerre, dites dans la décision concernant ces bitins de guerre, et, ça, appartient à Allah et à son propre messager Ça veut dire que Dieu a donné autorisation au prophète Mohammed sallallahu de décider du sort de ce butin. Et dans ce butin, y compris les biens, il y a aussi les personnes qu'on appelle les prisonniers de guerre. Ça veut dire que le Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a prévu, ça veut dire que l'émir, celui qui a, euh, niveau de la communauté, c'est lui qui va décider du sort de ce butin que ce soit les, personnes, que ce soit aussi leur biens. a la compréhension par les juristes, de ce verset, ainsi que les nombreux autres textes, la pratique du prophète Mohammed et les califes guidés avec raison, et que la plus haute autorité dans une société islamique est responsable des décisions concernant le butin de guerre qu'on appelle communément à l'homme, ou bien la ranima pour, pour être euh, bref dans la, réponse. par conséquent, tout comme il est, inacceptable en droit islamique que n'importe quel citoyen déclare la guerre, aussi des traités internationaux ou n'importe des jugements juridiques, euh, euh, des lois punissent les criminels. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va s'élever pour essayer de s'immiscer, pour essayer de, de, de, faire des raisonnements tendancieux d'une façon ou d'une autre ça relève à l'ami chef suprême qui est généralement éclairé, qui a un certain niveau de savoir, qui aussi fait de son mieux, fait des efforts pour observer, pour faire les choses selon le, Coran et la Sunna du prophète Mohammed. Moussin, mm. er eh, er eh, toujours à propos de euh, le chef de l'État. Eh, Traditionnellement, euh, quelles étaient les options pour un chef d'État euh, concernant le sort des prisonniers euh, de guerre Qu'est-il arrivé aux prisonniers de guerre lors des, combats, lorsque les combats sont terminés Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui les arrive aussi Pourrions-nous commencer par une liste de ces prisonniers merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit, ça revient, comment dit chef de l'État ou bien celui-là qui assume son intérimaire euh, de prendre cette décision. Euh, ce qu'il faut retenir, les salariés ont étudié le courant et la Sunna et ils ont cité euh, quelques points, mais quelques options que le chef de l'État ou bien son intérim peut toutefois opter pour. Nous avons premièrement libéré les prisonniers par magnanimité. Libérer les prisonniers. Et c'est la majorité des cas. Enfin, comme son hein, salaire il libère les, prisonniers. On les libère. Euh, on a beaucoup de cas, c'est le cas de la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi al Al-Juwairiyya, Joueria, <coughs> on l'a libérée, mais finalement, elle ne voulait plus partir. Elle a décidé de, le prophète, l'a tendu la main, et elle a accepté de déposer le prophète Mohammed sallallahu Elle est devenue véritablement une amida c'est-à-dire celle qui adore Allah, et c'est grâce à elle que nous avons reçu l'invocation euh, Subhanallah bihamdi, walidha khalqi, walidha nafsi, walidha kati. Donc, parmi aussi, il y a d'autres options, c'est d'échanger les prisonniers entre eux. Parce que lors d'une bataille, les ennemis aussi peuvent capter parmi vous. Vous pouvez aussi faire du mal, des échanges de prisonniers entre vous. Ça fait autre option également. Parmi ces autres options, on a aussi une rançon. Une rançon. L'État décide avec ses euh, ministres ou décide avec euh, ceux avec qui et ils prennent des décisions. Je prends le cas de prophète Mohammed. Il a l'habitude de prendre beaucoup de décisions avec les, les machines, avec Jannah. Il à dit, les dix premiers compagnons qui sont les meilleurs compagnons qui ont reçu la test du paradis. Nous avons Abu Bakr, les quatre calidats, c'est et autres. Il a l'habitude de faire une consultation avec eux pour prendre une belle décision. Pour bien aussi une compensation financière. Si peut-être euh, l'État ou bien le commandant, il a euh, une euh, idée, de, il a fait l'inventaire, une idée de tout ce qu'on peut, on peut compenser, qu'on peut, on peut demander, c'est de compenser ce qu'ils ont fait comme dégâts, comme, comme dégâts. Parmi aussi également, les, les autres avons exécution et, comme châtiment pour les prisonniers qui sont véritablement des prisonniers de crimes de guerre. voyez, il y a des gens véritablement, on les attrape avec tout ce qu'ils ont commis, avec euh, les, les preuves il pas faut les exécuter. C'est parce que ce que la c'est récupérera, Ce que la irrécupérable. on voit ça aujourd'hui, vous allez voir dans les pays développés, on met les gens sur les chaises, on les donne des doses létales, et quoi encore, on, on, fait, sécher le, sang. Mais personne ne parle pas, personne ne parle de ça. Mais si c'est l'islam qui dit de tuer des gens qui sont des psychopathes, des, gens sanguinaires, c'est là que Regardez tout ce que nous avons cité maintenant. Regardez, ça là maintenant, on dit ceux qui ont commis des crimes de guerre. Vous voyez Aujourd'hui, on parle de crimes contre l'humanité. Vous, vous, en connaissez très bien. Aussi, également, nous avons euh, autre option de travail pour l'État. Euh, L'État des champs, ils ont des mines, on travaille pour l'État. Ou également aller travailler pour la famille des soldats qui sont tombés lors de la bataille. Parce que quelqu'un est tombé, il a un champ. Quelqu'un est tombé, il a des animaux. Mais il faut garder ton petit toi, tu vas essayer de rester là, travailler pendant une telle année donnée, pendant ci, pendant ça. Je vous raconte ceci aussi. Il a, il a un compas, il a un, euh, un esclave pourtant du prophète Mohammed, bien oublié. Et il avait tellement, il a donné, euh, il a dit à son, à son maître, il dit, je vais, son maître lui a dit plutôt, tu vas passer telle année pour payer, euh, qu'on appelle ton, ta, libération. Et véritablement, il n'a pas pu, malgré ses efforts. Il est venu voir Ali, écoute, il fait ta moi j'aime pas l'argent. Donc Allah lui a dit, faites-le vous Allah, matini, li halalika haramika wa abnini, li fadlika man siwat. Si tu as même des dettes qui dépassent même la montagne ou route, alors va te payer ça en disant ça. Donc voici comment les gens se comportèrent devant les, différentes options. Également, on peut demander à d'autres qui ont été libérés, partez. On peut rester dans les tests islamiques, on va leur demander de payer le 10e, de payer ce qu'on appelle les impôts. Dans les pays aujourd'hui, vous payez les impôts. On ne parle pas des pays africains, mais je parle plutôt des pays où tout est structuré, tout est centralisé. pour payer les impôts. Directement, vous payez les impôts à travers vos achats et autres, vous payez les impôts. Donc, elle le disait Il y a, il y des conséquences si vous refusez de payer. Et le disait. Parce que tout ça, là, c'est pour travailler, pour le développement, pour la paix de la cité. Elle le disait. c'est quelque chose qui est véritablement fait plus que la zakat. vous faut noter ça. Ça ne dépasse pas la zakat. Non. Les impôts ne doivent pas dépasser la zakat. Et pour finir, je vais citer ce verset-là. Allah dit ceci. Et besoin de la question sur le butin. Comment on va gérer le butin Comment on va faire ci Comment Parce que le butin, au sens l'a dit, le butin, ça prend en compte les, les, captifs de, la guerre, les pierres, tout et tout ça prend en compte ça. Le butin, c'est pour qui C'est pour Allah et qui C'est sont son messager. Allah dit le à Allah et son messager, craignant mort maintenez la concorde entre vous et obéissez à mort et son messager, si vous êtes croyant. C'est-à-dire, euh, tout ça là, comme on dit, c'est pour rappeler, mais de la guerre, le ce n'est pas le bité. Hein. Le bité, c'est pour qui C'est pour Allah. Et si on vous entend dedans, c'est parce euh, euh, qu'on veut compenser, qu'on appelle un peu, à peu près un peu, hein. parce que la carte de compense se trouve auprès d'Allah. Donc, vous compenser euh, les, les, les dommages collatéraux qui ont, eu lieu euh, à votre endroit Donc, c'est aussi pour vous motiver. Pour vous motiver. Sinon, véritablement, le but, c'est pour Allah. Sinon, les gens veulent dire, on a fait tout ça là, et voilà, on les libère, on les fait. Non, vous l'avez fait pour qui Allah. Et ah. non pour vos propres intérêts. Donc, regardez bien la beauté de l'islam. Le butin, c'est pour qui Allah, on Pour Allah, merci beaucoup, ça. on voit que tout est Allah. toutes les décisions euh, de la guerre euh, viennent d'Allah, viennent du prophète sallallahu alayhi Les décisions avant, avant, euh, avant les opérations de la guerre, Allah nous donne quoi, nous dit quoi faut faire. Et même pendant la guerre, il nous donne, il nous trace les principes. Voici, comment il faut opérer durant la guerre et aussi même après la guerre, Allah nous donne des principes qu'il faut suivre avant, euh, euh, après même euh, la guerre. Parce qu'après la guerre, si nous avons la victoire, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut humilier l'ennemi, même est-ce qu'il faut humilier le corps des ennemis aussi, qui sont des, cadavres des ennemis Non, dans l'islam, on ne fait pas cela. Allah subhanahu wa nous interdit, et son messager nous interdit à faire cela aussi. Les ennemis qui sont capturés, qui sont avec nous, il faut les traiter bien aussi. Ah, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, nous enseigne. Parce qu'ils sont des hommes, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont ah, bénéficier à ah, l'islam. Mais même pas, pour cela même, en tant qu'humains, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de les, bien, de les traiter très bien. voilà le message. Et voici ce que quand on parle du djihad, ah, surtout le djihad militaire, voici ah, les principes qu'il faut suivre. Et j'aimerais répéter encore, ah, il, se peut qu'il y a des musulmans qui vont en guerre et qui, qui, ne suivent pas tous ces principes. Et tout ce qu'ils font, ils ne font pas ça au nom de l'islam, ils font ça à eux-mêmes, à leur nom. Parce qu'un musulman, un vrai musulman, dans toutes conditions qu'il se trouve, suivre les principes que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi wa sallam ont ordonné euh, de suivre, euh, soit euh, dans les activités économiques, soit dans les activités militaires, soit dans la politique, tout, même soit dans l'éducation, le musulman suit toujours les règles, les principes que Allah subhanahu wa ta'ala a tracés pour les musulmans. Voici ce qu'on appelle un musulman qui est digne hein, d'être appelé un musulman. Donc, Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin hein, de cet épisode Je ici hein, aujourd'hui encore. Ah, merci beaucoup à ah, Ustaz Abraham, Ustaz Muslim. Inch'Allah, merci à nos ah, téléspectateurs et auditeurs aussi. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.